Mm. Okay. Rolling, choking, token, never ever token, smoking on this token. Little nigga, I ain't joking. Studio Kalangunya, man, we out here. Never really gave a F, I'm out here with my wild hair and never really tried to care. Got a little baddie who gon' get in a cabbie. Little nigga, everybody can see me. I'm the illest motherfucker, I am the illest. Never my mother should have wore a rubber. That's a freestyle straight off the dome. Got a clone, little nigga, better leave that shit back at home. Cussing on the radio, I'm crazy, yo. Everybody go up and down like yo, yo's, fro, yo, yo my go, oh Non, <laughs> on sur cette émission nigérien, nigérienne, mes chers compatriotes. Bienvenue sur l'artiste explique. Vous êtes en compagnie de dons dit et eh, restez avec nous, c'est l'œuvre qu'il faut. Nigérien, nigérienne, mes chers compatriotes surtout Salafada, Mensa s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Mensa. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim sur tout Salafada nous avions parlé du parcours du combattant. Aujourd'hui, sur cette émission, nous le recevons une fois de plus pour parler de sa carrière artistique, pour parler de son contenu, ses vidéos déjà disponibles. Tout sur Mansa, c'est tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs. Mansa, je te souhaite la bienvenue. Tu pètes la forme ou bien c'est la forme qui te pète C'est les deux. Eh, laisse-moi te dire déjà que j'ai, je kiffe tes flots. Parce que tu as franchement les flots, tu vois. Hmm. Et c'est pas du tout chose facile. On a parlé de ton genre musical, tu es un tout-terrain. Hmm. Tu fais de la musique urbaine, tu fais de la musique, tu chantes, tu rappes, hmm. eh, tu danses aussi. Il faut, faut, pas me chercher sur un dance floor. <laughs> Faut pas me chercher sur le dance floor. Mansa, hmm. parlons de ton album sur cette émission. Un album déjà disponible. Un album disponible. Un euh, album de combien de titres Six titres. Six titres. L'album euh, s'intitule. Euh, ça veut dire quoi ça Ouais, c'est le nom de l'album. L'album s'appelle Name Me Mansa. Nommez-moi Mansa. Nommez-moi Mansa. Ouais. Donc, nommez-moi le roi. Parce qu'on a expliqué le concept de mm. ça. Le premier titre de l'album parle de quoi déjà Bon, le premier titre, euh, c'est une introduction de ma soeur, en fait. de ta soeur Ouais, elle m'avait envoyé euh, un vocal okay. sur WhatsApp. Pour te dire que, écoute mon frère, je t'aime, j'aime bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'elle a dit ta soeur Tu as rendu ça public Elle m'a dit, man, il faut que tu commences à taffer sur ta musique parce que c'est now or never. C'est maintenant ou, jamais. c'est maintenant ou jamais. <laughs> Now or never. Alors, ça fait quoi déjà sur ta c'est quoi son nom Elle s'appelle Zalika. Elle s'appelle Zalika Zalika. Zalika. Euh, hmm. Tu es sûr que Zalika te regarde Tu es sûr que Zalika te kiffe Parce que c'est elle qui a introduit l'album. Bon, là, elle est à l'extérieur. Ah, tu vas lui envoyer la vidéo Mais je vais l'envoyer la vidéo. Tout simplement. L'intro, la voix de ta soeur. Hmm. Le deuxième titre de l'album Nemi Mansa. Nemi Mansa. Le même titre que l'album. Le même titre que l'album. Tu racontes quoi dans Nemi Mansa C'est une introduction. Une introduction. Là, je rencontre du tout et de n'importe quoi. Je dis que je suis une Mansa et c'est vraiment une chanson que j'ai fait. J'étais en train de penser aux, scènes mhm. et aux shows live. Tu vois, j'aime pas quand les gens sont juste début comme ça en train de. Ouais, bien sûr, Regardez comme ça, ça le fait Man, je déteste ça. Donc, je j'ai préféré faire une chanson avec de l'énergie. De l'énergie. Qui fait que. Tu 50, 50, je te donne 50, tu me donnes 50. Et ça fait 100%. Super. Deuxième titre de l'album, on vient de l'avoir. Troisième titre. Euphoria. Euphoria, ça veut dire quoi Euphoria Et pourquoi tes titres en anglais, mon frère Bon, je suis un peu plus anglophone. Anglophone, bien ah, sûr. Euphoria, ça veut dire quoi Euphoria, euh, euphorie. Euphorie euh, Vraiment, je connais. <laughs> euphoria Je connais pas le, C'est comme ça la chanson Je connais pas le mot en français. mais ça veut dire. Euh, c'est un lieu. C'est un état. C'est un état c'est un état parfait mental, quoi, tu vois, où tu es content. Oui bien sûr. Euh, le rire est thérapeutique. L'euphoria. Ça donne quoi le refrain Le refrain hein We were sipping moonshine under moonlight. Oh, I lost myself in your eyes, baby. Who am I? You for years for you and I, baby. You and I for years for you and I, baby. You, and, I. Yeah, I. Ça veut quoi? Il bague quoi au en anglais? Hmm? Il bague quoi au en anglais? I want to, take off my jacket. I want to I love my, jacket. I want to wear my jacket. I want to take off my jacket. I want to take off my jacket. I take it off my jacket. I mm. and I my jacket. Quatrième dans de l'album, mon frère. Skins. Skins. Ça veut dire quoi, skins? Skins, c'est un mot que j'ai créé. Ok. Maintenant, skin, ça veut dire peau. Peau. J'avais pas, je pouvais pas trouver le nom pour le beat que j'avais fait, mhm. donc j'avais juste mis skins. Et après d'avoir mis skins, je dis bon, c'est cool, je mets un Y euh, au lieu d'un I parce que skins en anglais c'est S-K-I-N-S. Et moi j'ai écrit ça dans S-K-Y-N-Z. Tu racontes quoi dans skins là Dans skins, je raconte un peu euh, ma vie quand j'étais célibataire. T'es plus célibataire bon, ça, on peut pas, Entre guillemets. On peut pas rentrer c'est trop public. <laughs> Même ça, il est mystérieux le mec. Alors, cinquième titre de l'album, mon frère, tu peux me parler de ça. Ensuite, on va euh, finir avec euh, l'album, bon, l'intégralité en hein. 5 et 6. Ça parle de quoi, 5 et 6 Donc, euh, le cinquième, mhm. c'est Timbuktu. Timbuktu, c'est une ville du, Mali. C'est une ville du Mali, ouais, il y a plein d'influences du Mali. Du Mali, bien c'est la même chose. Mhm, Niger mhm. et Mali, c'est la même chose. Ouais. Je suis d'accord avec et maintenant, Timbuktu, c'est une chanson que j'ai faite, ça parle un peu de, la colonisation. La colonisation Ouais, ça parle aussi de l'état du, Sahel et nos pays avec les trucs de Boko Haram, les problèmes d'insécurité. Bien, sûr, tout ça. bien sûr. Et euh, c'est une chanson que j'ai faite avec un groupe Touareg. Ok. Donc on a mélangé. Euh, le rock Touareg et le blues Touareg, le mhm. desert blues comme ils appellent ça. Mhm. Et j'ai mélangé ça avec euh, du hip-hop et ça a donné quelque chose de très très intéressant et super super cool tout simplement cool, et sixième titre enfin peace. peace peace ça veut dire la paix ça veut dire la paix ça veut dire peace ça veut dire la paix et on peut utiliser ça genre peace ok peace out genre peace. ego quoi ego peace oh que là t'entends que là t'entends c'est ça le peace en fait c'est ça c'est avec ça qu'on ouais. finit l'émission parce qu'il faut avoir le peace justement ouais, et euh, peace euh, j'ai écrit ça P34CE. E. Ça veut dire quoi euh, Bon, j'ai un pote qui est décidé en fait. Et il s'appelait P, c'était ça, son nom. C'est ça son nom de Ça veut dire qu'il t'a dit qu'il va, il s'en va C'est ça à quelque chose. jamais pensé à ça. Donc, du coup, à partir de cet instant, dis-toi qu'il t'a déjà dit que lui, il s'en va. vrai. Et tout qu'on fait, il nous a juste dévancé. On est appelé aussi à le retrouver un jour. Mhm, Alors même Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée à l'artiste. Même ça. combien de vidéos disponibles il y a un clip qui est disponible maintenant et le deuxième. Et encore. Un lien YouTube pour permettre à cette jeunesse qui nous kiffe. Bien sûr, le lien YouTube, c'est juste Mansa. Maintenant, Mansa, c'est écrit avec un M, V, NSA. Ça s'écrit déjà pour permettre à toute la hein. jeunesse, mhm. euh, n'est-ce pas, de te retrouver. Et pour ceux qui écoutent radio, c'est M V V N S S A. -A. Maintenant, vous pouvez me trouver aussi Instagram mhm. mansa.nova, Twitter mansa le 8 américain nova et Facebook aussi, Mansa, Espace Nova. Tout est affiché, c'est Mustafa qui est de l'autre côté qui réalise. Et notez aussi par là que Issa est avec nous, Issa Lawali, c'est lui qui est aussi sur le son, la technique et tout ça. Ok, je suis un son aussi. Hein. Ah super, tu as tes frères de l'autre côté. Tu touches à tout. Mansa, nous sommes à la fin de la rubrique. Mansa. Hmm. l'instant est solennel. Un message à l'endroit de la jeunesse puisque on était en élection il y a de cela quelques jours. Un nouveau président, un message de paix, de peace, puisque l'autre, il va dire peace, il va s'en aller, un autre va s'installer. Alors nous t'écoutons. Bon, moi mon message c'est quoi C'est simplement, j'espère que tout le monde a pu voter pour le meilleur, meilleur candidat, c'est tout. Et vraiment, mon message aussi c'est que faut pas avoir peur d'être différent c'est cool d'être différent, c'est cool d'être soi-même et d'assumer son identité. Moi, je suis nigérien et tout ça. Mhm. Quand j'y vais dehors avec mes cheveux bizarres et mon style bizarre et tout le monde, tout le monde me regarde genre, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout ça, mais j'assume, tu vois. mais tu ne t'expliques pas, tu es comme moi en fait. Voilà, le don est le roi. C'est ça. C'est ça. Je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Voilà. prince, l'a dit. Voilà. Des pour nous, pour nous dire au revoir. Y a pas de problème. Choking, token on this token. I ain't talking when I'm sipping, tripping, imposing my vision on a mission. Fuck you thinking, all is leaning. Got both knees bent on the semen. Ice my cup. I see hell, in hell. then telltales. Do it big. XL, exhale. Never fail. Trapped in my mind. F bell. What the F is a brain cell? Like your name, my soul cells. Oh well, let me dwell on this L. They say realize, realize, realize. Oh, You're in disguise. I'm in disguise with my clan. Load of the flies. Never land. Think about size. Blunt in my hand. Think of the size. Black skies. Mom's piss this because she read my eyes. Let me imply how I get by when I get high. Yeah. Voilà, voilà, voilà, voilà. Arambeka uh, uh, nemeno ergane arancé irban studio ka langubo aimachi oranse quand rubrico amanma kala l'artiste s'exprime. Tout ça, la fada, mo, aga continue. Donc, arama, si, zape, bakay. Nirban? Nirban. Ibonita, beno. Aïda, beno.